Gloire à Dieu. nous devons pour la prière. Notre Père Céleste, nous te remercions pour notre étude biblique. Nous te remercions pour nous avoir amenés ici aujourd'hui. Nous te remercions pour la fidélité de ton peuple venant chaque moment à cette étude biblique. Nous prions que Seigneur, en venant, le but et l'intention, ton plan pour nous, à, venant à cette étude publique et écouter toutes les que nous écoutons, que ce, ce, but-là vienne et ça comme l'entrevue au nom de Jésus. En venant ici cette nuit, nous prions que Seigneur, tu nous impartes de ta parole au nom de Jésus. par la puissance, l'efficacité, la supériorité et l'énergie qu'en en prenant cette, ce pain de vie que tu donnes à tout le monde au nom de Jésus, ouvre nos yeux pour voir la grande et les choses merveilleuses que tu es en train de préserver dans ta parole, que nous pouvons être forts et en se tenant fermé, devant toutes choses. Et puis aussi, nous pouvons aussi aller aux autres personnes et révéler la, pensée de Dieu au nom de Jésus. Nous prions que tu bénis tout le monde aujourd'hui et ce soir. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci beaucoup pour vous asseoir maintenant. Nous regardons Daniel 7. Daniel 7. Daniel 7, Daniel 7, Daniel 7, Daniel 7, Daniel 7, le verset 9. Daniel 7, le verset 9. Daniel 7, le verset 9, il dit 9 Je contemplais jusqu'à ce que les tournes soient renversé et que l'ancien des jours soit assis du vêtement vêtement était blanc comme de neige et des cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son tour était comme des flammes de feu et ses roues comme un feu d'argent argent, en à feu ardent. Un fleuve du feu sortant de ses répandant de devant lui mille, mille milliers se révélaient dix mille fois que se tenait devant les deux juges, le et les livres furent ouverts. Ces deux, ces deux versets que je viens de vous lire parle de quelque chose. Eh revenons en Apocalypse chapitre 20. Regardez voir ce que quand on l'en lit dans des livres d'Apocalypse, chapitre 5, 7, euh, 5, 7 et, et Apocalypse chapitre 2, verset 10, maintenant 2, le verset 10, et le, le, tenant 2, verset 10. Il dit quoi Il dit Ne crains aucun de ces choses dont tu souffres, voici le diable jettera. Et ces choses qui viennent, ceux qui ont rejeté, rejeté le privilège de connaître la parole de Dieu et le jugement viendra sur eux. Apocalypse chapitre 2, verset nous donne aussi une, une doit plus d'avantage. et dit, je vis, et dit, je vis, je vis de, et je vis, voici, le diable jetera, et j'ai vu quoi J'ai vu beaucoup de choses qui se dépassaient. Et j'ai vu les morts, petits ou grands, tenant devant Dieu et le, livre fut ouvert. Un livre aussi fut ouvert. Le, livre ouvert et un autre ouvert, le livre de vie. Et les morts sont furent euh, jugés selon les livres qui fut écrits, selon leurs œuvres. Et la, lèvre, euh, et, la, et la mère donnant les morts, et tous les morts qui y étaient. Et ils furent jugés à chacun selon son œuvre et dans le, temps de feu. Et ceci est la deuxième mort. Et quiconque euh, n'a pu trouver dans le livre de vie fut jeté dans le temps et lac de feu. Et quand vous regardez dans ce passage ici, vous allez voir à partir du verset 11, il dit, j'ai vu un grand, grand, euh, un, grand, euh, un grand trône. Ici, quand nous avons vu dans Daniel, si on voit la part de, Genèse jusqu'à Apocalypse, on nous a parlé de, de, de, différents offices et euh, du euh, de travail de, du bureau de Dieu. Ça veut dire que le juge, il est, ça veut dire que euh, les, deux Nouveaux Testaments et l'Ancien Testament, on dit qu'il est juge. Pas seulement ça, il est aussi patriarche. Les prophètes de l'Ancien Testament, les prédicateurs de Nouveau Testament et les princes de Perse.